Lui, à travers ce geste, après la mise en place par le préfet du département, d'accompagner euh, les structures sanitaires, les forces de sécurité et de défense et l'ensemble des collectivités territoriales. À titre personnel aussi, étant citoyen du département, accompagner euh, certains quartiers euh, de ma commune et environ. Raison pour laquelle, pour toujours dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation, remettre quelques lots de produits sanitaires à des représentants de nos populations dans les quartiers afin qu'ils puissent partager avec leur communauté et vaincre vraiment cette maladie et qui commence à, nous hanter même le sommeil. C'est quelque chose de symbolique euh, que j'ai voulu faire euh, pour euh, à peu près 5 millions 500 000 francs de produits en, produit produits alcool-gel, en madar et en, eau de javel pour que dans tous les quartiers d'abord de la commune de rufusque ouest et certains quartiers du, Nord qu'ils puissent euh, quand même euh, utiliser ce produit et que mettre en œuvre les recommandations euh, des autorités sanitaires, des médecins, tout simplement en matière de lavage, en matière de protection de soi-même, et que chacun puisse, dans le cadre de cette mission, se dénommer un soldat euh, de la nation. C'est une guerre qui concerne toutes les franches euh, de la population, toutes les, tous les segments de la population du Sénégal, mais surtout en particulier euh, ceux du département de, de Rufisque. bi Macky Sall waxé lolu ba légui loxom jógul ci Tëngéej loxom jógul ci nit ñi dëkk Tëngéej mu woowaat ñu ñu ñëw mu yëkëti valeur bi mu yëkëti d'une somme de 5 500 500 000 francs jënd ko ay alcogel jënd ko ay javel ay madar pour jox ñu ko que dem wàccee ko ci base bi ci commune Rufisque